Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou pour thème Journée internationale des personnes disparues. Quelle est la responsabilité des différents acteurs Le 30 août de chaque année est consacré comme la Journée internationale des personnes disparues. Une problématique extrêmement prégnante des milliers de victimes, une tragédie humanitaire. Euh, cela dit, euh, les disparitions sont soit euh, du fait des guerres, mais aussi des catastrophes naturelles et également sur les routes de migration. Par exemple, beaucoup de gens ne sont plus en mesure de pouvoir donner des nouvelles à leurs proches et ce sont les familles qui vont se signaler auprès du comité international de la Croix-Rouge CICR, des Croix-Rouges nationales ou des Croissants Rouges nationaux pour dire qu'elles sont à la recherche de telle ou telle approche dont elles n'ont plus les nouvelles. La journée internationale des personnes disparues est célébrée depuis 2011. Dans la région de Difa, les phénomènes d'enlèvement des personnes civiles avec des demandes de rançon sont fréquents dans plusieurs localités. À Tilaberi, des cas d'enlèvement ont été observés également dans plusieurs localités. À Maradi et dans les villages frontaliers du Nigeria, la région de Tawa aussi n'a pas échappé à ce phénomène. Enfin, la région d'Agadez avec le phénomène de migration et son cortège des de personnes disparues lors de la traversée du désert et de la Méditerranée. Avec nos invités, nous allons faire le point, revenir sur les objectifs visés à travers cette journée et surtout partager les messages clés ou enseignements afin d'interpeller la conscience collective sur le phénomène de disparition des personnes. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio A Leila Edweb, déléguée protection personnes euh, disparues et migration au Comité international de la Croix-Rouge CICR, Leila Edweb. Euh, bonsoir. Bonsoir. Hassan euh, Soumeila, coordonnateur protection à la Croix-Rouge nigérienne. Hassan Soumeila, bonsoir. Bonsoir. Et Kani Abdoulaye, coordonnateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE. Kani Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Leila Edweb. Quel est le sens de la célébration de cette journée à travers le monde oui, bonsoir Mokhtar. Merci infiniment de nous recevoir euh, aujourd'hui euh, pour euh, parler et marquer cet événement, bien ce, cet événement de, commémoration de la Journée internationale des disparus. le sens de, de cette commémoration, c'est vraiment de dire que derrière chaque personne disparue, les familles sont aussi victimes et euh, ils cherchent, ils sont toujours à la recherche de, ces personnes et qu'il ne faut pas oublier ces, familles et leur faciliter la recherche et la clarification de, du sort de leurs bien-aimés disparus que fait euh, le CICR à travers cette journée Par exemple, pour, euh, pour les familles, on a, euh, on a pensé à, à, leur faciliter cette commémoration via des activités de plantation d'arbres à Tilaberi, Gades et prochainement à Difa. Euh, ce sont des événements où, les familles peuvent se regrouper, échanger et marquer le souvenir de leurs proches disparus dans, un, dans une ambiance assez intime où ils peuvent très bien échanger changer leur vulnérabilité, leurs expériences et euh, l'absence de, de, leurs proches euh, euh, disparus, encore une fois. Et pour nous, c'est vraiment important qu'il y ait ce genre d'événement de, pour montrer notre solidarité, notre empathie et le fait que voilà que les conséquences humanitaires euh, suite à une disparition sont assez euh, importantes et conséquentes sur la vie des, personnes. On, voit plusieurs euh, plusieurs conséquences, euh, notamment psychologiques, économiques et voilà des lacunes juridiques et judiciaires qu'on veut les appuyer et les accompagner dans, dans ces dans ces dans ce chemin euh, après la disparition d'un proche parce qu'on veut qu'ils aient une, une, vie normale, bien que l'absence est, euh, déchirante pour certains. Leila Edweb, qu'est-ce qu'une personne disparue une personne disparue, euh, c'est une personne dont on n'a pas les nouvelles. Et la source, la source première qui nous fait signer, signaler cette absence ou bien cette disparition, ce sont les, proches, les familles de premier, de premier degré. Et euh, voilà. Et cette disparition est principalement en contact, en lien avec les, euh, avec les conflits, la situation de conflit qu'on observe ici au Niger, et aussi la migration, vu que voilà, c'est le carrefour euh, du Sahel, ainsi que d'autres situations de, de violence ou de catastrophes naturelles. Et c'est là où euh, vraiment euh, notre rôle comme organisation neutre euh, et impartielle, on rentre, on, est proche du public ou bien de ces familles qui viennent directement et spontanément vers nos bureaux, que ce soit du CICR, du Comité international de la, de la Croix-Rouge ou via la, Croix, Croix-Rouge nationale nigérienne pour nous faire marquer cette, cette, cette, absence. Et à partir de là, on lance des recherches euh, dans le terrain via, via nos partenaires. Mais euh, voilà, cette personne disparue, ces conditions de disparition doivent être euh, en relation avec ces, avec ces trois circonstances pour que nous puissions intervenir de façon partielle et impartielle et neutre auprès des autorités, auprès des, chefs communautaires, ainsi de suite. Leila ce que fait la Croix-Rouge par rapport à cette problématique on fait beaucoup de choses. dans, mon département, on dit oui, Leila euh, euh, Leïla est déléguée de disparition, on travaille sur le mécanisme, comment euh, travailler avec les autorités pour créer des mécanismes de prévention de, disparition. Et ces mécanismes peuvent être, peuvent être des plaidoyers auprès des, autorités. L'Assemblée nationale du Niger, on, les a adressés pour réfléchir à une loi d'accompagnement pour les familles, euh, voilà, qu'est-ce qu'on a, qu'on a, qu'est-ce qu'on a observé sur le terrain. Les familles nous ont approchés, on a fait une évaluation, et voilà les conséquences humanitaires qu'on a observées. Qu'est-ce que l'État peut, euh, peut proposer pour un peu diminuer l'arbitraire de, de, la société et euh, faire en sorte que les ces familles soient protégées et leur souffrance soit reconnue par les autorités et par, par la, société en général pour atténuer un petit peu leur, leur, souffrance et aussi le stigma à leur à la rencontre euh, dans, certains, dans certains milieux. Merci beaucoup, Leila. Hassan Soumeila, vous êtes coordonnateur protection à la Croix-Rouge nigérienne. Euh, que faire si on cherche un proche Alors, euh, merci beaucoup. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer à l'occasion de la commémoration de cette journée. D'abord, il faut comprendre et souligner tout d'abord que les séparations avec un proche à la suite d'un conflit, la migration ou de la détention. Et ce sont des circonstances effectivement euh, qui peuvent euh, amener des gens à nous contacter. Et par rapport à ces gens qui nous contactent, nous avons, euh, le, nous avons la responsabilité effectivement d'accompagner ces personnes-là à travers des mécanismes que nous avons mis en place pour pouvoir les aider à travers les recherches. Et c'est très, là euh, euh, C'est très important de comprendre eh, effectivement que eh, ces mécanismes mis en place, euh, ce que au niveau de la, eh, du mouvement Croix-Rouge, nous avons une structuration, un réseau qui permet effectivement d'aider ces gens-là à travers euh, euh, nos volontaires communautaires qui sont recrutés un peu partout euh, au Niger parce que la Croix-Rouge a un ancrage national. Mais il faut comprendre aussi que pour aider ces gens-là, il faut que la séparation ait un lien, soit avec le conflit, soit avec la migration, soit avec les catastrophes naturelles ou bien la détention. Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est que à travers eh, les localités de résidence de ces personnes-là, eh, chacun pouvait effectivement chercher eh, une présence Croix-Rouge parce que la Croix-Rouge départ ses démembrements. Elle est présente au niveau régional dans toutes les huit régions. Elle est présente au niveau de tous les départements du Niger avec, à travers ses sous-comités. Et partout dans ces sous-comités, nous avons des représentations des volontaires formés, outillés, capables de prendre effectivement tout cas des séparations qui a un lien avec ces problématiques que je viens de décrire en l'occurrence le conflit, la migration ou euh, les catastrophes naturelles. Donc voilà un peu comment notre structure fonctionne. Donc euh, du niveau départemental, nos volontaires peuvent collecter les cas, les remonter jusqu'au niveau régional à travers nos ponts focaux, qui peuvent les remonter au niveau du coordinateur national. Et nous travaillons en synergie effectivement avec euh, le CICR aussi, et qui nous accompagne dans ce processus-là. Donc voilà un peu le mécanisme de coordination qui faciliterait effectivement aux familles et de venir vers nous pour ouvrir les demandes de recherche afin qu'on puisse les aider à retrouver leurs proches. Comment se fait euh, le, mécanisme de saisine Le mécanisme de saisine, il est simple, il est ouvert à tout le monde. Vous savez que la Croix-Rouge nigérienne et la Croix-Rouge, elle est pour tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde. Alors, dès un cas de séparation est constaté par un membre de la famille, la famille peut se rendre effectivement au niveau de ses sous-comités afin qu'on puisse l'aider à ouvrir une demande de recherche ou bien si c'est un enfant non accompagné qui ne sait pas où se trouvent ses parents. Donc, euh, via son tuteur, donc l'enfant peut se rendre euh, ou bien interpeller nos volontaires afin qu'on puisse les aider effectivement à ouvrir une demande de recherche via nos collègues et, dans les autres pays parce que vous savez que nous sommes un réseau mondial aussi. De par le réseau national, nous collaborons aussi avec un réseau mondial, ce qui fait que au-delà même du Niger, nous pouvons envoyer nos demandes de recherche dans les autres pays, en l'occurrence le, Nigeria, le Mali, le Tchad, le Cameroun, tout comme les autres pays aussi peuvent euh, envoyer effectivement leurs demandes. Donc voilà comment euh, le mécanisme de coordination fonctionne entre les différents pays et ce qui facilite effectivement les recherches. Et voilà comment nous coordonnons les recherches afin d'aider les familles à pouvoir retrouver leurs proches et les réunifier effectivement. Hassan euh, Soumela, que fait le réseau mondial de rétablissement des liens familiaux D'abord, comme vous l'avez dit, le réseau, c'est un réseau très vaste. Le réseau, il est mondial, mais au-delà de ce réseau mondial, comme je viens de vous le dire, on a un réseau national. Ce réseau national, aujourd'hui, il est composé de plus de 100 volontaires, et 100 agents que nous, que nous utilisons pour pouvoir aider les familles qui sont dans le besoin de rétablir le contact sur le territoire nigérien. Alors, dans les huit régions du Niger, nous avons dans chaque région un réseau RLF. Des volontaires qui sont formés, outillés et qui sont prêts à aider n'importe quelle personne qui se trouve dans une situation de se faire aider à retrouver un proche. Mais comme je l'ai dit précédemment, il faut que eh, la séparation est un lien, soit avec le conflit. Est-ce que, est -ce euh, que euh, ces, points focaux là hmm. euh, qui se trouvent en région, au niveau des régions, ont quand même la capacité ou bien les moyens nécessaires pour agir Tout à fait. Les points focaux qui sont au niveau des régions ont toute l'expertise qu'il faut parce qu'ils ont été formés, ils ont été outillés, ils ont toute l'expertise qu'il faut. Au-delà des points focaux, au niveau même du niveau village, nous sommes représentés dans tous les départements. Et au niveau des départements, vous allez voir dans toutes les communes et dans tous les gros villages, là où on a des camps de réfugiés et des sites de déplacés ou des sites de réfugiés, nous avons aussi des volontaires communautaires. Et tout ce réseau de volontaires ont été formés, outillés dans le cadre de comment aider les familles qui sont dans le besoin à retrouver un membre de leur, de leur famille porté disparu. Donc voilà comment le réseau national fonctionne. Mais au-delà de ce réseau national, ce que nous sommes en lien aussi avec le réseau mondial. Et ce réseau mondial, et chaque pays peut nous envoyer leur cas afin qu'on puisse aider dans les recherches, tout comme nous pouvons aussi aider dans les recherches pour les autres pays. Nous pouvons envoyer nos demandes de recherche au Nigeria. La plupart des cas oui, de DIFA sont envoyés au Nigeria. est-ce, qu'il y a eu des cas illustratifs Tout à fait. Et quand vous prenez par exemple la crise euh, dans le lac Tchad, nous partageons euh, cette crise avec euh, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Il y a plusieurs cas d'enfants non accompagnés, enfants séparés, des dizaines et des dizaines qui ont été effectivement réunifiés avec leurs parents grâce à l'effort du réseau national que nous avons. Au-delà de ça, d'autres pays, en l'occurrence le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, on nous ont envoyé des cas que nous avons traités sur notre territoire. On a retrouvé les parents, on les avait réunifiés. Au-delà de ça, quand vous prenez la région de Tilaberi et la région de Tawa, qui sont traversés aussi par euh, le conflit de trois frontières, comme vous le savez, là encore, le réseau mondial fait en sorte que nous pouvons envoyer nos cas de demande de recherche au Mali, au Burkina Faso, tout comme eux aussi peuvent envoyer leurs cas. Et ce qui fait que, bon, voilà, grâce à ce mécanisme de coordination, on arrive à faire les recherches grâce à nos volontaires qui sont présents sur le terrain. Une fois les personnes retrouvées, donc on le met en contact avec leurs proches qui sont eh, dans ces pays-là. Donc voilà de façon résumée comment ce réseau mondial fonctionne et nous avons cette flexibilité de travail avec tous les autres pays et dans chaque pays vous avez ce réseau qui fonctionne et nous travaillons eh, en synergie avec tous les autres pays jusqu'en Europe nous sommes en contact avec les autres pays qui peuvent envoyer effectivement des cas en lien avec la migration que nous traitons et nous faisons le, le feedback à ces pays. Donc voilà un peu comment notre réseau national et le réseau mondial fonctionnent. Merci beaucoup Hassan Soumaïla. Kani Abdoulaye, y a-t-il eu euh, des cas de personnes disparues au Niger euh, Si oui, quelle est l'ampleur du fléau en ce moment Merci pour cette opportunité que euh, vous nous offrez et surtout en cette journée de pensée à ce disparus. Oui, effectivement, vous vous rappelez qu'en 2010, suite à des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux et sur les médias, il y avait eu des, allégations de disparition, surtout forcées, dans la région de Telabéry. Et par le trichement du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, notre organisation avait été saisie. Il y avait également certaines institutions de la Commission nationale des droits humains qui avaient été saisies sur ces allégations de disparition forcées. Oui, comme je l'ai dit, pour répondre à cette question. Et le phénomène aujourd'hui est. Parce que c'est un phénomène qu'au Niger qui n'était pas. surtout, et les phénomènes de disparition forcée et d'enlèvement, c'était des phénomènes que nous, on ne connaissait pas dans le passé au Niger. Mais aujourd'hui, c'est nouveau, c'est un phénomène nouveau. oui, aujourd'hui, c'est un phénomène nouveau pour nous parce que du fait surtout du terrorisme, de l'insécurité. Ah, de l'insécurité en un mot. Effectivement, souvent, des gens sont enlevés pour euh, demander des rançons. Ou souvent même, il y a certaines allégations, comme celle que j'ai dit qui était faites à l'État euh, qui était faites que c'est souvent, euh, on a allégué qu'il y a eu des disparitions forcées, dues aux forces de l'ordre ou et l'autre le groupe armé non étatique. Donc c'est un phénomène aujourd'hui, un phénomène aujourd'hui qui est important au Niger. Rien que hier ou avant-hier, nous avons reçu des informations selon lesquelles une dizaine de personnes avaient été enlevées en Guingimi. Oui, oui. Donc c'est pour dire qu'effectivement, c'est un phénomène aujourd'hui qui est inquiétant au Niger. Kani Abdoulaye, que fait ou peut faire la société civile que vous êtes pour accompagner les États, les organisations non gouvernementales ou même les communautés au sujet de ce phénomène de personnes disparues Merci. Qu'est-ce que nous faisons nous, en tant qu'organisation et surtout le Code, nous sommes spécialisés dans le dialogue et la coopération avec les organes des traités. Qui dit coopération et dialogue avec les organes des traités dit que nous élaborons des rapports soit parallèles ou alternatifs que nous soumettons par devant les différents comités. vous savez que le Niger, vous savez que le Niger est parti à la Convention des Nations Unies de lutte contre les disparitions forcées, que le Niger avait été déjà examiné il y a quelques mois de cela par devant ce comité. Donc nous soumettons des rapports pour attirer l'attention de l'État du Niger. Nous donnons des informations souvent à certaines euh, organisations internationales ou certaines organisations avec lesquelles nous collaborons, surtout en lien avec les, euh, les maisons, les maisons d'arrêt, les lieux de privation de liberté. Et souvent, certaines, certaines, certaines familles également, nous leur donnons des informations, nous, les, nous les apportons appui conseil appui conseil quand effectivement il se retrouve dans de telles situations. Voilà ce que nous faisons en tant qu'organisation de la société civile. Euh, Kani Abdoulaye, vous étiez sur le terrain et vous êtes encore sur le terrain. Comment amener les gouvernants à mieux collaborer pour avoir les nouvelles des personnes disparues euh, Je pense que <laughs> comment amener les gouvernants Oui, mais est-ce que les gouvernants collaborent euh, de tout le temps oui, c'est effectivement ça souvent le problème quoi, des collaborations. Mais je peux vous dire quoi, qu'en tout cas dans le cadre, en tout cas quand il y a eu les allégations sur les disparitions forcées, dans une zone d'insécurité qui était la zone de Tilaberi, le gouvernement du Niger avait collaboré parce que le gouvernement du Niger avait en ce temps, moi je faisais partie de l'équipe qui était partie faire l'enquête aux côtés de la Commission nationale des droits humains et d'autres organisations, l'État du Niger avait donné tous les moyens, que ce, surtout sécuritaires, nous permettant effectivement d'aller sur le, sur, le lieu, sur le lieu. Mais effectivement, souvent, ça dépend aussi souvent de la coopération, de la coopération, le degré de coopération, le degré de coopération et surtout des informations. Parce que vous savez, surtout quand il s'agit de disparitions, et surtout des disparitions forcées, aucun gouvernement au monde ne veut qu'il soit indexé. De sorte qu'effectivement, de, fois, les gouvernants, effectivement, ont tendance à ne pas vouloir collaborer avec les organisations de la société civile. Mais je pense que le gouvernant ou le gouvernement doivent collaborer avec les organisations de la société civile, avec les organisations humanitaires, parce que ces organisations sont souvent présentes là où l'État n'est pas présent et accompagne l'État. Parce qu'ils doivent accompagner l'État. L'État se doit de s'ouvrir à ces organisations pour collaborer parce que c'est pour le bien, c'est pour eh, le respect des droits humains. Merci Kani Abdullahi, On a observé une courte pause. Leila Edoueb, comment la Croix-Rouge travaille-t-elle avec les autorités à clarifier le sort des personnes disparues oui, merci beaucoup pour, euh, pour, euh, pour cette question et euh, je, reviendrai, si vous permettez, sur ce que mes collègues ont cité ici. Effectivement, notre réseau international de, de, de, de rétablissement de liens familiaux est vraiment planétaire, n'est-ce pas Et on parle de au moins 180 euh, sociétés nationales, euh, que ce soit en Europe, euh, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc. Et il y a, y a cet échange vraiment très très solide entre, entre ces, ces sociétés nationales, notamment la, le Croix-Rouge nigérien, Croissant-Rouge euh, algériens, ainsi de suite, et aussi euh, autour du, lac Tchad. Et euh, effectivement, lorsqu'on parle de, ce développement, enfin, de ce phénomène de disparition qui est de plus en plus récent et de plus en plus discuté, j'ai l'impression, surtout à, l'occasion de la commémoration des disparus, nous, en tant que, que mouvement, en tant que CICR, on reçoit de, statistiques que, nous avons en termes de demandes de recherche, allégations d'arrestations, euh, ainsi de suite sont vraiment ne reflètent pas la réalité du Niger. On sait qu'il y a un conflit qui est, enfin, qui est transfrontalier du côté du Nigeria, du côté du, Mali et de Burkina. Et quand même, ça, on a l'impression que vraiment les famines ne, ne, ne voient se voient dans une situation de vulnérabilité et ne, ne, ne prennent pas euh, l'initiative ou bien ne savent pas comment faire après une demande, après une, disparition d'un proche. Donc euh, là, on veut vraiment marquer cette journée comme, euh, comme n'ayez pas peur, il faut venir, il faut en parler, euh, nous sommes là, on sait que vraiment une disparition, une absence d'un proche, que ce soit un père, que ce soit un fils, que ce soit une, une épouse, peut, peut, euh, peuvent être extrêmement lourds sur la conscience de, de, de, des proches, de la mère, on va dire, euh, qui est en train de, chercher son enfant, qui, qui, est, qui, qui n'a pas, qu'elle n'a pas pu secourir ou bien prendre lors d'un déplacement, ou bien un enfant, un fils qui est parti à l'aventure dans, dans, le désert. mais bah, à votre question. Oui, vous ah, allez euh, répondre après. et, qui est habilité à introduire euh, cette demande de recherche bah, comme j'ai dit, c'est vraiment c'est, les membres de famille de premier degré ou bien les composants d'un, foyer, c'est-à-dire euh, la mère, le père, l'enfant, le, le frère, ainsi de suite. Et il a par, par voilà, il y a est-ce, que, que, la société civile peut vous saisir peut nous saisir et nous référer le, cas. Et nous, on va faire, euh, comme euh, l'a très bien expliqué Al-Hassan, on va collecter la, la, demande de recherche, voir les circonstances, qui, euh, c'était quand les derniers, les derniers moments de contact Est-ce qu'il y a un témoin de, de l'arrestation ou bien de, de, de, de circonstances Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour euh, causer cette disparition C'était quand le dernier contact Ainsi de suite. Donc, euh, la personne qui est la plus proche de, cette, de, la personne disparue, elle peut très bien nous se référer à nous. Et même parfois des migrants, des migrants camarades. Si un migrant, il n'est pas nécessairement le, le proche, de, frère de sang, il peut très bien venir et, euh, nous signaler euh, la disparition d'un migrant euh, lors de, sa, traversée. Mais voilà, je pense que c'est vraiment la personne qui peut nous, dire toutes les circonstances et de préférence la famille ou bien le père ou le, membre de famille de premier degré. Et Al-Hassan peut très bien commenter par rapport à, cette question qui peut signaler une demande ou bien introduire une demande de recherche. Ok, allez-y pour la, la, question. Par rapport à la question, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les autorités pour clarifier euh, le sort euh, d'un disparu On fait plusieurs choses, comme j'ai dit, les mécanismes de prévention, mais aussi on, a, on pense que une, disparition est principalement causée par la non-identification d'un corps. Lorsque on a on reçoit un corps et on ne sait pas, un migrant ou quel, enfin, euh, un, corps qu'on n'arrive pas à identifier ou bien on ne prend pas la peine d'identifier ou de, prendre des indices, des indications qui, pourront, qui pourraient être utilisées, que ce soit de façon immédiatement pour l'identification ou bien de façon ultérieure, après un an, après, après 20 ans, après 10 ans, la, famille peut très bien venir et nous dire oui, telle personne est disparue, voilà ses caractéristiques, euh, euh, les habits, je sais pas, les, les tatouages les, voilà, les marques personnelles de, ce corps. Et après, on peut faire un matching, faire une correspondance. Donc ça, c'est ça l'idée pour nous. Euh, une identification, c'est une prévention de disparition. Parce que voilà, la personne est, euh, est décédée, elle ne peut pas voilà, c'est seulement les experts qui peuvent voir et lire un corps et, euh, et euh, enregistrer ces, informations personnelles qu'on peut trouver sur, euh, sur le, défunt. Et et les, enregistrer pour garder une, une, traçabilité euh, possible. Et c'est ce qu'on fait euh, avec les autorités lors de nos formations pour euh, tout ce qui est gestion des dépôts mortels, parce qu'on pense aussi que avoir une unité centrale, notamment le Comité national de gestion des dépôts mortels, peut faciliter la, coordination au niveau national, que ce soit à Maradi, que ce soit à Agadez, DIFA, etc. Une unité qui peut expliquer et euh, faire euh, faire des, du référencement et tout ce qui est suivi technique de, de, de, son côté, ça pourrait facilement renforcer les, les capacités de, ces experts et euh, faciliter l'identification et donc la prévention des, disparus. Merci Leila. Hassan Soumela, est-ce que vous avez la capacité d'agir dans certaines zones euh, inaccessibles comme les déserts et les mers Très bien. Et avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de compléter eh, eh, ma collègue euh, mm. Leila. Effectivement, par rapport euh, à la question de euh, contacter eh, la Croix-Rouge pour ouvrir une demande de recherche, effectivement, tout le monde peut nous référer des cas. Mais pour ce qui est de l'ouverture des, demandes de recherche, il est extrêmement important de clarifier un certain nombre de points. Ce que seul un membre de la famille hein, pourrait ouvrir une demande de recherche eh, pour, euh, pour qu'on recherche ou bien pour qu'on retrouve effectivement eh, un proche de sa famille. Ça, c'est extrêmement important pour des questions, vous savez, de protection des données, de consentement, etc. etc. Au-delà de ça, pour ce qui est de votre question, eh, est-ce que nous avons des capacités au niveau du désert <coughs> ah, Excusez-moi, une question extrêmement importante. Oui. la migration fait partie des problématiques sur lesquelles nous intervenons effectivement pour faire du rétablissement des liens familiaux. Et dans ce sens, nous avons un vaste programme qu'on appelle RLF Migrant Kiosque dans la région d'Agadez, où nous avons mis euh, sur euh, les deux routes migratoires classiques ce qu'on appelle des kiosques migrants RLF. Des kiosques, migrants. des kiosques RLF migrants. À quoi cela ressemble Tout à fait. C'est c'est des, kiosques qu'on a installés tout au long de ces deux routes migratoires. Et dans ces kiosques, nous avons des volontaires qui ont été formés, outillés, pour pouvoir recevoir les migrants en partant tout comme des retours. Dans, les villes ah, dans, les, dans, les, villes d'Agadez, euh, dans, la ville d'Agadez, dans la ville euh, d'Arlit, dans la, dans la, ville d'Assamaka, ça c'est pour la route classique qui mène via, l'Algérie. Et c'est la route classique qui mène via la, Libye aussi. Nous avons des kiosques sur euh, dans la ville d'Agadez, dans la ville de d'Urkou et dans la ville de Sigidine afin de permettre aux migrants qui empruntent ces deux routes migratoires de rester en contact avec leurs familles tout au long de la route migratoire. et éventuellement, il n'y a, pas de réseau téléphonique, comment ça marche Si, si, si, il y a des réseaux téléphoniques à Agadez, à Arlit, à Dirkou, à Asamaka et à Sigidine il y a des réseaux téléphoniques. Donc les migrants ont la possibilité de rester en contact tout au long de leur route migratoire et éventuellement aussi nous signaler des éventuels cas de disparition. Au-delà de ça, nous faisons aussi le suivi des demandes de recherche dans ces kiosques-là, ce qui nous permet effectivement de, garder, de, euh, de maintenir cette dynamique mondiale des RLF. Aujourd'hui, au niveau de ces kiosques nous avons des demandes de recherche qui nous viennent de l'Europe. Nous avons des demandes de recherche qui nous viennent, par exemple, euh, de la Guinée, du Sénégal c'est lesquels nos volontaires s'active à faire des recherches et envoie les résultats des recherches dans les autres pays. Donc voilà la dynamique que nous avons mis en place tout au long de ces deux routes euh, classiques afin de faire en sorte que les migrants puissent effectivement rester en contact avec leurs familles, En restant toujours dans la position de notre mouvement, les NIMI, c'est-à-dire on n'encourage pas la migration, on ne décourage pas la migration, on se concentre tout simplement à répondre aux besoins humanitaires des migrants dans les cadre d'espèces effectivement de séparation des familles mais est-ce que euh, les communautés euh, dans les différents pays euh, savent le travail que vous êtes en train de faire Très bien. Effectivement, oui, les communautés savent eh, ce que nous sommes en train de faire. Et quand vous prenez par exemple la région de Difa, nous avons des, des postes publicitaires qui passent en boucle dans les radios communautaires afin de sensibiliser les communautés dans des localités lointaines où souvent il est difficile effectivement d'avoir accès. Vous connaissez un peu la région, il y a certaines zones qui ne sont pas accessibles, mais grâce à ces spots publicitaires, ces communautés arrivent à avoir le message de ce qu'est le resserrement des liens familiaux. Quand ils sont dans des besoins de chercher un proche, ils savent vers qui il faut venir s'adresser et comment il faut venir ouvrir une demande de recherche. Au-delà des, différents, nous le faisons aussi à Gadez, nous le faisons aussi à Tilaberi, surtout à l'occasion effectivement de la journée commémorative de la journée des personnes portées disparues. Nous faisons des sensibilisations effectivement pour amener les communautés. Mais au-delà de ça, nous avons élaboré aussi des matériels de visibilité à travers lesquels il y a des messages clés eh, qui portent par exemple si vous avez un membre eh, des de famille porté n'hésitez pas à appeler tel numéro. Le numéro, il est là. Vous pouvez appeler le 70 37 81 88, tout comme les gens peuvent écrire à l'adresse email aussi eh, de la Croix-Rouge nigérienne qui est internet.ne Donc tous ces mécanismes-là sont développés pour favoriser effectivement la communication avec le public afin qu'ils sachent que la Croix-Rouge est là pour aider les gens qui sont dans le besoin de rétablir le contact avec leur famille à la suite d'une disparition. Au sujet de la recherche, est-ce que la durée n'impacte pas sur vos travaux Par exemple, une personne qui a disparu euh, pendant 10 ans, 20 ans, 30 euh, ans Vous savez, eh, le rétablissement des liens familiaux, c'est une activité qui se situe au plein cœur de la sensibilité humaine. Nous faisons tout pour atténuer l'angoisse causée par la séparation. Ce qui fait que, quelle qu'en soit la durée de la séparation, il est important d'aider les familles à élucider le sort de leurs proches qui portaient disparu. Donc ce qui fait que pour nous, la durée n'a pas un impact, d'autant plus que notre réseau est très bien formé. C'est un travail de fourmi, effectivement, qui peut prendre énormément de temps, mais au bout de l'effort, quelle qu'en soit la durée de la recherche, on arrive à retrouver un proche, qu'on le réunifie avec sa famille. Imaginez, je vous donne un exemple. Une femme, par exemple, qui a perdu son mari au cours d'un conflit pendant 5 ans, 7 ans, cette femme la vit avec tous les problèmes. Beaucoup d'enfants, surtout. Et avec beaucoup d'enfants. Et dans le cadre de nos recherches, au bout de 7 ans, on arrive à retrouver son mari on le réunifie avec cette femme-là. C'est là que ce, ce travail, il est magnifique. Ça apporte effectivement, on n'apporte pas la nourriture, on n'apporte pas de l'argent, mais nous donnons souvent quelque chose qui dépasse même la nourriture et l'argent. Donc, parce que nous sommes là pour apaiser l'angoisse posée par la séparation. Donc, voilà comment le mécanisme fonctionne. Et je crois bien que aujourd'hui, le public sait que le réseau de retracement des liens familiaux existe. Nous avons un ancrage national. Nous avons couvert toute l'étendue du territoire national. Il n'y a pas un département au Niger où on n'a pas eh, un représentant. Jusqu'au niveau communautaire, nous avons des volontaires qu'on a identifiés au niveau des sites, au niveau des camps de réfugiés et au niveau de certaines localités qui connaissent effectivement les, eh, le conflit, afin de rapprocher ces services aux communautés et à travers aussi eh, nos mécanismes de diffusion, les communautés savent que nous sommes là et nous sommes là pour eux. Donc c'est l'occasion effectivement de leur faire comprendre que le réseau existe et que toute personne qui est dans le besoin de rétablir le contact en lien avec la guerre, en lien avec la migration, en lien avec les catastrophes naturelles, peut prendre attache avec une structure de la Croix-Rouge afin qu'on puisse l'aider effectivement à élucider le sort. Merci beaucoup Hassan Soumela Kani Pour euh, les familles de certains euh, détenus, les messages transmis par euh, le CICR sont souvent l'unique témoignage du sort de leurs parents Prisonnier, Avez-vous des recommandations particulières à ce sujet Oui, parce que vous savez que d'abord que quand quelqu'un est privé de liberté, qu'il est dans une maison, dans une prison, c'est déjà un poids sur euh, la femme. Est-ce que toutes les prisons du Niger vous êtes accessibles Et euh, Oui, je peux dire que oui. En tout cas, euh, jusqu'à ce que jusqu'à preuve de contraire, en tout cas, nous avons pu eh, mener nos activités au niveau de toutes les prisons, y compris la maison de haute sécurité de Côte-Calais, qui effectivement, là où il y a, il y a beaucoup de, là où il y a beaucoup de restrictions. C'est d'abord généralement qu'il y a même beaucoup de restrictions, oui. Mais que effectivement, c'est déjà un poids. Et lorsque on a, par exemple, si je prends le cas par exemple de la maison de haute sécurité de Côte-Calais, où les visites sont interdites. Deux fois, c'est ces messages effectivement de ses partenaires ou souvent même de nos messages ou souvent de la Commission nationale des droits humains que reçoivent les familles. C'est pénible. C'est pénible. Mais souvent aussi, ça réconforte les familles parce que souvent, il y a des familles qui n'ont aucune information effectivement de ce qui se passe, est-ce que ces, personnes sont en vie, est-ce qu'on ne leur cache pas quelque chose, et lorsque souvent, on, à travers ces messages, on, on essaie de, de, rétablir comme font euh, le mouvement euh, Croix-Rouge, Souvent, vous, avez été une fois ému à travers ces messages transmis euh, aux, parents Oui, souvent nous avons eu même des larmes parce que souvent quand nous leur disons que, OK, nous, nous sommes des défenseurs des droits humains et que voilà, nous avons rencontré dans une maison d'arrêt votre parent et voilà, effectivement, il a des droits. Il y en a où nous nous, on pensait que quelqu'un qui est déjà en prison n'a pas de droits. On dit non, le droit est inhérent à la personne humaine. C'est vrai que quelqu'un peut être en conflit avec euh, la loi, mais il a des droits. Et même il y a même des circonstances, même quand on dit, même dans, le cadre de, l'état d'urgence, il y a des droits qui sont interrogeables. Donc voilà pourquoi il y a des droits. Et donc souvent, ça nous a émis, ça nous a émis souvent, et, oui, nous sommes des humains. Oui, <laughs> c'est parce que nous sommes des humains, effectivement, que nous mettions aussi à défendre les droits des autres. Effectivement, nous sommes souvent émis. Quand quelqu'un ne sait pas, quelqu'un sait que, par exemple, son parent est ici à côté à Côte-Calais, qui ne peut même pas le rendre visite, qui n'a aucune information et que tout qu'on dit que que c'est une prison de haute sécurité où normalement c'est les grands brigands qu'on doit faire interner, que votre parent s'y trouve et que vous n'avez pas la possibilité de le voir et qu'un bon matin vous avez un message via une organisation de la société civile et eux et nous sommes souvent émis parce que on observe quand même le comportement de celui à qui le message est adressé. Euh, Kani Abdoulaye, face aux diverses crises engendrées par l'insécurité, les troubles sociaux, politiques et économiques, quel est votre message euh, pour la population du Niger en général Pour la population du Niger en général, la première des choses, c'est souvent de collaborer surtout avec euh, l'autorité. Oui, de collaborer également avec généralement les organisations qui sont sur le terrain est-ce que ces populations-là euh, peuvent vous faire confiance, vous qui êtes les, acteurs de la société civile euh, nigérienne euh, Oui, lorsque nous partons, ces populations nous font confiance. Et les crises de confiance, généralement, ce n'est pas à notre niveau, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est souvent avec les FDS. Et nous travaillons à travers des sensibilisations aussi à faire créer euh, cette confiance entre les FDS et les populations. C'est aussi de se dire que euh, quand il y a une crise, quand il y a un conflit, que si les gens ont des informations qu'ils peuvent donner, pour effectivement, comme on l'a dit, atteigner, c'est de donner les informations pour que certaines choses ne puissent pas arriver. Je pense que c'est là le message que nous lançons. Et surtout, les catastrophes. Les catastrophes, généralement, quand vous regardez aujourd'hui, quand vous prenez par exemple certains réseaux, vous allez dire même il y a des messages qui sont, qui sont véhiculés pour demander aux citoyens, surtout en lien avec la pluie et autres, euh, de s'éloigner effectivement. C'est de ne pas, ne pas et euh, persister, c'est d'accepter effectivement que c'est des choses qui peuvent arriver nous l'avons vu ailleurs et qui peuvent nous arriver également de prendre les dispositions et des précautions nécessaires pour s'en éloigner. Leila Edoueb, vous avez un message particulier adressé à, adresser à euh, nos communautés en lien avec la journée internationale des personnes disparues Oui. Euh, un message particulier, moi je dirais voilà que la disparition c'est un phénomène mondial, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde et euh, que voilà malheureusement ici dans notre contexte nigérien, on voit que des gens sont euh, sont, sont portés disparus à cause de, conflits, de la migration et encore maintenant avec le, le changement climatique à cause des, catastrophes naturelles. Donc pour pour moi le message serait n'hésitez pas de, nous contacter. On peut euh, venir, euh, venir euh, à votre aide. voilà, c'est plutôt on se met vraiment accessible à, cette population qui est, qui est victime de cette disparition, parce qu'on parle toujours de, la personne disparue, mais qu'en est-il des, familles Il y a énormément de conséquences qu'on a, qu'on a observées, que ce soit euh, encore une fois sur, au niveau psychologique, économique, juridique, judiciaire. On, a, on parle toujours, euh, à DIFA par exemple, on a mené une, évaluation et on a senti que vraiment les, ces familles sont vraiment dans une situation assez, assez euh, difficile, et surtout de leur euh, statut de déplacés, réfugiés. Donc euh, c'est une double couche de souffrance que nous voulons euh, mettre la lumière aujourd'hui sur, sur, sur les, ces, souffrances, encore une fois. Et donc ce serait vraiment bien de, de vraiment euh, en parler avec vos proches et aussi avec, euh, avec, euh, avec les, les, volontaires que vous, que vous croisez pour vous référer à nos bureaux et nous contacter. voilà, une autre chose seulement de, sur la question pratique, c'est vraiment on a un numéro vert gratuit qui a qui est fonctionnel désormais, le 5665, donc 5665, euh, que nous recevons, on peut recevoir toutes les recommandations et tous les, les, retours, bien observations après un service euh, rendu, bien euh, proposé à un bénéficiaire ou bien à ses familles et aussi pour demander euh, un référencement pour euh, une demande de recherche ou autre. Donc euh, voilà, c'est la journée de commémoration pour ces, pour ces familles et aussi pour leurs leur, pour leurs proches disparus. Et voilà, nous, on est toujours là à l'écoute pour atténuer un peu de leur souffrance et, et être présent auprès des communautés Merci beaucoup, Leila. Merci, Kani Abdoulaye. Euh, merci, Hassan Soumaïla. Nous sommes au terme euh, de ce forum de Studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir euh, Leila Edoueb, déléguée protection aux personnes disparues et migration au Comité international de la Croix-Rouge CICR. Hassan Soumaïla, coordonnateur protection à la Croix-Rouge nigérienne. Et Kani Abdoulaye, coordonnateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et des la démocratie Code. Euh, merci à nos invités et à vous tous euh, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Halidou Harouna et à la réalisation Seini Isaka. Merci, au revoir.